Oh, Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur l'émission Le Niger sur Kalangou diffusée via nos radios partenaires. Merci pour votre fidélité. Je suis Marie-Marie à mes côtés pour la présentation Samira Rouafi. Bonjour Samira, comment vas-tu Je vais très bien Mariam et toi ça, va Ça va très bien aussi. Faisons aussi un petit coucou à ceux qui assurent derrière la vitre. À la technique, nous avons Amina Hassan et à l'édition Moussa Hassan. Alors qu'avons-nous au programme ce matin Mariam Samira, comme d'habitude, nous avons nos rubriques habituelles composées de sujets variés pour nos auditeurs et auditrices. Au programme de la musique à 100% nigérien, du loti, de la culture linguistique, une rubrique hebdo qui parle à santé ce mardi. La page sport et bien sûr, on plantera le décor avec le flash d'actualité. Dans la partie invitée, nous nous sommes entretenus avec M. Maman Saleh, l'auteur de l'ouvrage sur le chemin de la résilience, une réflexion approfondie et une synthèse de ses riches expériences dans le domaine du développement durable.

Chers auditeurs et auditrices, Nafissa Adamo Sirfo est avec nous pour le flash d'information. Bonjour Nafissa. Bonjour Samira. Bonjour Maria. Bonjour, Samira. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information que nous ouvrons avec les actualités du sabre national. Les combats de la 45e édition du sabre national se poursuivent à Dosso. À la fin de la troisième journée des compétitions hier 23 décembre, il ne reste plus que 13 lutteurs invaincus sur les 82 départs. La matinée de ce mardi 24 décembre prévoit les rencontres entre Zender et Dosso et Tawa Tilaberi. la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, s'est rendue hier au lycée professionnel Kalmaharo de Niamey pour apporter le soutien des autorités dans l'enseignement au sein de cet établissement. La ministre a affirmé, je cite, Nous avons confiance en vous et nous voulons vous impliquer pour bâtir le Niger de demain qui fera la fierté du continent africain. Notez que l'initiative Une semaine, une école a été instaurée afin de permettre au cadre du ministère de l'Éducation de visiter une école chaque lundi. Enfin, la Russie construira la plus grande raffinerie d'Afrique de l'Ouest au Mali, selon l'ambassadeur Igor Gromniko. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre la délégation russe et la partie malienne au Mali, a noté l'ambassadeur. Le site maliweb.net a rapporté qu'en plus de cela, des projets d'exploration et d'exploitation des ressources minérales sont en cours de réalisation. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa pour toutes ces informations. Merci et bonne suite à vous. Merci bien. Chers auditeurs, comme annoncé en titre, nous suivrons un entretien avec l'auteur de l'ouvrage sur le chemin de la résilience, M. Maman Saleh. Mais avant d'écouter l'entretien, chers auditeurs, voici pour la première note musicale de notre sélection d'aujourd'hui, L'amour de ma vie de Ahmed Delta. On écoute. l'amour de ma vie. Oh, l'amour de ma vie. Oh, oh. DJ Salty and the Big. Love of my life. I'm a L'un des chanteurs de musique Hausa les plus célèbres de Kannywood du Nigeria, Ahmed Delta, est un jeune homme qui a attiré l'attention de nombreuses personnes avec son style de musique moderne. Le chanteur réside dans l'état de Kano, mais né dans l'état du Delta au sud du pays et originaire du Niger. Voilà, c'était là la première note musicale de notre chanson. Retour au studio après cette pause pour la première partie de notre entretien avec M. Maman Saleh. Actuellement doctorant en gestion de projet, il se distingue également comme spécialiste en développement expert humanitaire et communicateur. Dans cette première partie, il a, qu'il a accordé à Mohamed Maman, l'écrivain parle de ce qu'il a inspiré à écrire sur les approches basées sur le renforcement de la résilience ici au Niger. On l'écoute. Cela découle d'un constat. Euh, le constat est que on a beaucoup d'expertise, mais malheureusement, avec le départ à retraite, quelquefois même avec la fin de vie, on n'a plus de traces de toute cette expérience-là que les uns et les autres ont eu à accumuler. Alors c'est ça qui m'a amené à vouloir capitaliser mes expériences euh, parce que je suis convaincu que cela servira effectivement à construire un chemin beaucoup plus pertinent en matière de développement et même dans les interventions humanitaires et de réhabilitation. Alors comment définirez-vous le concept de résilience dans le contexte nigérien La résilience en tant que telle, c'est juste la capacité euh, de s'adapter, de, recevoir un choc et de repartir de, de façon la plus rapide qui soit à, à l'issue d'un choc. Donc c'est ça la résilience, cette capacité de pouvoir absorber tous ces différents chocs que nous recevons du point de vue euh, euh, par exemple les catastrophes naturelles. Euh, si on a ce choc, à partir de quelques mois, on peut être à mesure de vouloir repartir sur de nouvelles bases sans à ce qu'on se rende compte qu'on a même eu un choc au passage. Voilà de façon un peu très simple ce que je peux dire euh, de la résilience. Dans votre livre, hmm. vous mentionnez une critique des démarches actuelles des acteurs du développement. Pouvez-vous développer cette idée Quelles sont selon vous les principaux écueils Une des critiques que j'ai eu à faire au niveau de, de cet ouvrage, euh, c'est que dans les actions de développement, on se rend compte que euh, c'est comme si on prend les différents pans de développement, c'est-à-dire l'humanitaire, la réhabilitation et le développement, comme étant des pans à part. Et ce qui fait que même euh, au niveau des bailleurs de fonds, dans certains cas, il est très difficile de trouver certains bailleurs de fonds qui vont financer les activités d'urgence ou des activités de réhabilitation, plus des activités de développement. Donc ce qui fait que euh, quelquefois on se met juste dans une optique de répondre à des catastrophes, à des catastrophes de façon récurrente, sans pour autant songer aux premières causes, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui a amené euh, cette question de cette catastrophe-là et comment éviter ça à long terme. Donc, ce qui m'a amené effectivement à proposer dans le livre effectivement le schéma qui consiste à partir de l'urgence à la réhabilitation au développement. Donc, cette triptyque effectivement devrait être normalement le cheval de bataille de tous les acteurs de développement, euh, surtout en Afrique, où on a constamment des catastrophes et on est toujours dans des optiques de résilience et on est toujours en train de faire aussi des activités de développement. Parce que si on fait des activités de développement, on, ne prend pas en compte les questions d'urgence, ce qui fait que quelquefois, on peut être euh, en panne, si on peut le dire. Puisque imaginez, vous intervenez dans une zone et qu'il y a une catastrophe et dans la conception du projet que vous avez eu à faire, vous n'avez pas tenu compte de cette catastrophe-là. Donc les activités même de développement vont être dans une situation où on ne pourra pas continuer à, faire ces activités-là. Finalement, effectivement, vous proposez un schéma fédérateur sur euh, l'ouvrage. Euh, quels sont les grands axes et les principales euh, innovations euh, en fait, l'axe que je propose au niveau de cet ouvrage-là, c'est euh, un axe qui part déjà des acquis. C'est-à-dire que nous avons euh, au Niger des partenaires qui ont déjà réfléchi sur et qui ont proposé aussi également des outils dans les questions de planification. Et ces outils-là pourront servir effectivement dans l'identification des régions pertinentes en termes d'intervention. Et il y a aussi également des outils qui ont été proposés au niveau régional, au niveau euh, départemental et au niveau communal jusqu'au niveau village. Donc euh, le schéma que je propose, c'est un schéma qui permet de prendre en charge les différents démembrements euh, du Niger en termes de découpage administratif, c'est-à-dire de partir du village à la commune, au département, à région et au niveau central. Puisque dans les dans euh, l'architecture euh, de, euh, de la décentralisation au Niger, c'est seulement le niveau commune et le niveau région qui sont considérés. Donc il n'y avait pas, il n'y a pas le niveau départemental. Et dans le chemin que je proposais, c'était de partir avec la commune euh, le niveau département et le niveau régional. Donc au niveau de communes, nous avons des plans de développement communaux et au niveau des départements, c'est aussi d'avoir des plans de, de, développement départementaux et d'avoir aussi des, niveaux de, des plans de développement régionaux. Au niveau central, c'est-à-dire que toutes les politiques qui sont en train d'être prises en matière d'agriculture, d'élevage et même dans d'autres domaines devraient s'inspirer des différents éléments qui ont été développés au niveau région pour avoir une orientation beaucoup plus nationale. Et avec les questions de planification, on sait que même dans l'orientation des projets, donc ces, outils de planification pourraient permettre de faire une orientation beaucoup plus pertinente en termes d'identification des choix. Donc ce schéma aussi, c'est un schéma qui prend aussi en compte les différents écueils qu'on a constatés surtout par rapport à la contribution des services techniques dans les questions de développement. Puisque dans les faits, on se rend compte que c'est comme si les services techniques étaient devenus des, des prestateurs des ONG au lieu d'être des acteurs de premier rang pour toutes les interventions d'où vous parlez, ou bien vous soulignez l'importance du rôle de l'État euh, au niveau des communautés. C'est là effectivement qu'intervient le rôle de ce service technique et euh, au-delà le rôle de l'État. Parce que aujourd'hui vous allez avoir beaucoup de projets où on a des réalisations qui sont pertinentes et, et euh, dont les résultats sont, sont prouvés. Mais faute euh, de moyens, le partenaire qui intervient dans la réalisation de ces, activités ne peut pas appuyer dans la réplication. Or, les services techniques de l'État qui sont là pourraient être en tout cas les pans pour pouvoir disséminer toutes ces belles actions dans d'autres régions qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce même type d'intervention. Voilà, chers auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien. Avant de poursuivre, nous allons encore souffler en musique avec les titres suivis du groupe de rap MDM Group. Et ma suite quand je te Tu me fais danser, baby quand j'entends ta voix. C'est ta soeur qui était ma reine, fais de moi ton roi. Dis-moi que tu fais de moi juste, et tu verras ce que moi je ferai de toi, ma suite girl. My heart flies only for you, I do not see for you. My baby says for me, and I will rain for you. Ah, baby girl, t'es ma sweetie angel, let me fly with you. My baby, baby, my sweetie, sweetie, my lover, lover. Your beauty under my eyes. Ma soul, yata, why you a mean, yata? Oh my lady, your beauty up my eyes. Toi et moi c'est pour la vie. T'as un lucky out de donner. C'est toi que j'ai choisi. on beauty up my eyes. Devant Dieu, moi j'ai fait le serment de t'aimer, bébé, pour la vie. Hey. Eh. Baby girl, crois-moi, crois-moi, c'est pas pour une seule nuit. Eh. Quand je te regarde, et quand j'entends ta voix, je Quand je te regarde, et quand j'entends ta voix, je ma L'amour, quoi de plus bon que toi Sans toi, sans aucune raison de vie. I am so happy, cette fois j'ai trouvé ma darling. I am so happy, laisse-moi t'appeler ma rose j'aurais bien aimé être ton ombre. T'accompagner, te protéger du mal qui nous encombre. T'es ma flamme, notre avenir, n'aura plus de consombre. Pour sceller notre union, je combattrai tous les hommes. Baby girl, sans toi ma vie ne fait pas des personnes pour qui ne me branche, je suis animé que par les deux coups. Baby girl, c'est grâce à toi que je me tiens debout. Je ne veux pas me séparer de toi, impense tout. Oh, baby, oh, que t'es belle. Pourtant, j'ai désiré un amour, le prix Nobel. Prends-moi ton nom, sera celui de mon futur label. Le coup de tes lèvres me rappelle beaucoup celui Baby, baby, ma sweetie, sweetie, My love, love. Ah. Your beauty unto my eyes Masuri yata Wayo amini yata Oh my lady Your beauty unto my eyes Toi et moi c'est pour la vie Allah qui aime de donner C'est toi que j'ai choisi Your beauty unto my eyes My baby baby My sweetie sweetie My lover lover Your beauty unto my eyes Aminata, royaume Aminata. Oh my lady, your beauty onto my eyes. Toi et moi c'est pour la vie, la Allah qui aime de la C'est toi que j'ai choisi, your beauty onto my eyes. We in happy day. Le groupe de rap MDM Kourou incarne l'essence même de l'authenticité artistique et de l'engagement culturel. Ce groupe, nous le rappelons toutes les fois, il a été créé en 2004, il a débuté sa carrière en cette année et s'est composé de deux frères talentueux, Majek Tissoul et Sir Muslim. Voilà, c'était Suiti de MDM Crew. Allons pour la seconde partie de notre entretien, chers auditeurs. Dans la seconde partie, M. Maman Saleh parle de l'impact attendu de l'ouvrage sur les lecteurs et surtout ce qu'ils doivent retenir de l'œuvre sur le chemin de la résilience. Et c'est toujours au micro de Mohamed Maman. Euh, à mon humble avis, je pense que cette œuvre est, très opportune puisque nous sommes dans une période de refondation, euh, dans une période où on, sait, on essaie de tracer les différents chemins en termes de développement. L'œuvre a tracé tous les différents écueils, tout, euh, toute la problématique qui devrait être là pour asseoir un bon concept en termes de développement, d'action humanitaire et de réhabilitation. Donc je pense que l'œuvre est un puissant moyen pour, en tout cas, les autorités euh, actuelles et même les autorités à venir pour pouvoir, en tout cas, tracer un bon chemin sur le développement euh, du Niger. Quel conseil donnerez-vous aux futurs acteurs du développement qui souhaitent contribuer au renforcement de la résilience mhm. au Niger et même au Sahel euh, Je pense que la résilience c'est un concept, comme nous l'avons dit, qui est holistique. Si on veut vraiment contribuer à, la résilience, aux activités de résilience au Niger, c'est de partir de l'existant, mais pas de créer simplement pour créer. Parce qu'on a vu beaucoup d'acteurs, quand ils veulent intervenir, ils ne se mettent pas dans une dynamique de vouloir compléter des actions qui sont déjà là. Certains se mettent même dans une dynamique de duplication ou de saupoudrage. Et, c'est le rôle de l'État qui a été délaissé à un certain moment qui a créé cet aspect. Si on a euh, euh, un État qui est très soucieux par rapport à tous ces différents aspects, donc tous les acteurs seront obligés de se mettre euh, au niveau de la marche et de vouloir contribuer à la vision de l'État. Et c'est pour ça, dans le livre, j'ai toujours souligné le rôle central que doit avoir l'État dans toutes ces questions-là. Et, ça passe aussi par un changement de, de comportement et de mentalité au niveau de tous les acteurs, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des services techniques ou même au niveau de certains partenaires. Parce qu'on doit se dire que si on ne change pas de mentalité, on ne peut pas changer ce problème. Ça va toujours être la même chose. Et ce changement de mentalité, c'est pas simplement au niveau des services techniques, même au niveau communautaire, même au niveau des villageois. Ils doivent se dire que les acteurs qui interviennent, c'est pour leur développement, et le premier acteur à s'approprier doit être, doit être euh, eux. Aujourd'hui, on se prend, on a l'habitude d'entendre que ça c'est une activité d'une de, telle ONG, une activité d'une telle ONG. Normalement, l'ONG n'a pas d'activité. Les activités là qu'on fait, c'est des activités communautaires, c'est au bénéfice de la communauté. Et la communauté doit savoir cela et s'en approprier. Alors, vous pouvez parler euh, maintenant de, vous et de, l'œuvre. Quelle a été votre plus grande source d'inspiration dans la rédaction de ce livre euh, la, ma plus grande source d'inspiration a été euh, une formation que nous avons reçue en matière de capitalisation d'expérience avec euh, le centre technique agricole qui est aux Pays-Bas. C'était un financement d'une organisation internationale. Et à partir de cette formation, on a formé un pool d'acteurs en matière de capitalisation d'expérience on, était parti sur euh, une capitalisation d'un fait sur les questions des achats locaux dans l'organisation où je travaillais à l'époque. Donc c'est tellement euh, m'a donné euh, l'idée de dire mais et si je capitalisais toutes nos expériences en matière humanitaire, développement sur les questions de résilience. Et c'est de là que partie cette question, euh, en tout cas de capitalisation, parce que à chacune de nos euh, des insuffisances qu'on constatait, des défis que nous rencontrons, on essaie de proposer un certain nombre de solutions. Et euh, au lieu juste de partager cela avec en conférence ou en atelier, j'ai préféré euh, les mettre à l'écrit. Et c'est la compilation de tous ces éléments-là, un travail d'à peu près deux ans qui a donné le chemin de la résilience. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent à priorité euh, de votre ouvrage Ce que je veux que les lecteurs retiennent, c'est que le travail de développement, c'est vraiment un travail complexe où on a besoin de la contribution de tout le monde. C'est-à-dire que euh, moi, en tant qu'acteur, que je sois étudiant ou bien que je sois un acteur de développement, à lisant l'œuvre, je dois me demander, euh, mais quelle contribution je peux amener en plus quels sont peut-être les éléments que l'auteur n'a pas pu identifier ou n'a pas pu souligner dans l'œuvre que je pourrais approfondir. Parce que je suis convaincu que l'œuvre en tant que telle n'est pas exhaustive, c'est juste un pan de problème qui a été développé. Il y a bien évidemment d'autres aspects qui peuvent aussi être euh, approfondis euh, par les acteurs parce que la situation évolue. Et nous sommes maintenant, par exemple, dans une période euh, où on parle de terrorisme, on parle d'autres conflits et qui peuvent aussi amener d'autres réflexions qui peuvent aussi enrichir euh, l'œuvre. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire et on va parler santé. Oui, Mariam, après plus de 40 ans d'exploitation de l'uranium à Arlite, quelles, sont plutôt les conséquences à retenir euh, sur la santé des populations et sur l'environnement Élément de réponse dans un entretien de Gungu Mohamed Dantani avec Dr Zakou Hamadou, médecin-chef du, district sanitaire d'Arlit. L'uranium étant une substance radioactive qui n'est pas compatible avec dans tous les documents que vous allez prendre concernant la littérature par rapport à l'uranium, à côté, il y a toujours des maladies qui sont induites par la radioactivité. On a des pathologies liées à cette radioactivité. On a des maladies que nous registrons qui sont inscrites dans le tableau des maladies professionnelles liées à l'exploitation de l'uranium que nous rencontrons à RIT qui sont aussi fréquentes ici à RIT. La fréquence laisse à penser que l'uranium est en cause de la survie de ces maladies parce qu'une maladie, peut-être qu'on peut rencontrer un cas ou deux Docteur, euh, euh, Arlit étant une ville minière, euh, est-ce qu'il y a des maladies liées à cette exploitation de l'uranium craindre parce que en plusieurs années d'exploitation quand même, on a des résidus radioactifs qui sont euh, un peu éparpillés ça et dans la commune, dans le bain Donc euh, rien que ces déchets-là, c'est un danger pour la population. Ce qui je sais que manquera pas, en cas, les résidus radioactifs peuvent être nocifs à la santé des populations. L'environnement peut être pollué, respirant, l'air. Il y a aussi certains matériaux qui rentrent dans le traitement de l'uranium, qui sont aussi souvent nocifs à la santé humaine. Tous ces facteurs combinés peuvent faire en sorte que l'environnement pourrait être poli, donc euh, il faut craindre pour la population. Là aussi, l'eau que nous consommons, ce pourrait créer une contamination des nappes, il faut craindre, pas pour seulement Arlit, mais le Niger entier, parce que, comme on le dit, l'eau n'a pas de frontières. C'est une nappe qui continue jusqu'à Agadez, jusqu'à Niamey. L'air aussi n'a pas de frontières. Tous ces aspects combinés peuvent faire en sorte que non seulement la population d'Arlit est exposée, mais aussi les populations des autres contrées du Niger. Alors, euh, docteur, au vu de ce que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'il faut beaucoup plus craindre euh, l'empirement de la situation pas des études formelles d'identification des maladies ici à Arlé du seraient liées. Donc, euh, je n'ai pas présentement à ma disposition pour affirmer cela. Mais c'est que si la population est exposée, nous appelons à une bonne étude de grande envergure pour situer la place du granulon sur la santé de la population, qui nous permettra de situer par rapport à l'impact du granulon. Ces études de là permettront de nous situer par rapport à l'évolution des maladies qu'on aura observées sur le terrain. C'était là la rubrique hebdomadaire. Chers auditeurs, un notre tour à musique et cette fois, nous vous offrons l'un des titres les plus anciens du rap nigérien, Chimifonda du groupe Was Wong On Kiff. Yes, man. Original Was Wong Roots. Nas, yes, salamani écoute du cut. Cap sur le Chimifonda 2002. Yes. Chimifonda. sola. Hey. Massa mo jame fonda. Dingiza, dingi dingiza. fonda. Ma pasa fa. Mucho mo tora gamba. Sobe se kano mora wa sang se fa. Le bon sola. Le bon sola. Hey. mo jame fonda. Yes. Dingiza, dingi dingiza. me fonda. Ma pasa fa. Mucho mo tora gamba. Sobe se kano mora wa sang se fa. Le bon sola. Le bon sola. Hey. mo jame fonda. Hey. Nigga, they was one got so one got it was sick. Nigga, I'm a once a nigga was once a four J'ai choisi ma voie against la communauté de tarés Ceux qui se sont pitié, flotte, mange, blague de clichés Le songe qu'à faire de monde en emportant dans ma société Homeboy, be ready to fight Don't lie, don't be afraid to die I got a dream cause I wanna fly to touch the sky This world seems so bad and swing My brother's game, root, root, to right Simple like me, my family From the personality, way cross home I got a shame for people who check my tradition As long destruction I follow the voice of Jimmy As a solution for them I got a power to punish all these motherfuckers. If Iblis, or just wait my area. Don't worry, broad good breed, got a nilla. In that true company, I'm just soldier. The soldier of was wanga. Ikuta chimi fonda. Dingiza, dingy dingiza. Chimi fonda. Mawazava. Hey, Kujama Goragama. Hey, Subasagano, Mura was Sansi Forufa. Leposola, Leposola. Hey, Masamo Jamifonda. Han, dingiza, dingy dingiza. Chimi fonda. Mawazava. Hey, Kujama Goragama. Hey, le Les là, les là, ma je les prends là. ici même Couille de de mecs sans couille sans parcours de mais ne pas de Ne brûle ne de la cour de dans l'underground, yaro. Mon de déjà la avec

Pas celui sinon, pas celui qui passe par le mic, non. Moi, Washington, le Beskia Mukena, le son Beskia du Shima et son mon son Somas, la même Tchegumi de Kaya Kinti. De la voix du salut, je n'en sais que dalle tout simplement que la fuite semble dans un train d'état En tout cas moi je sais que dans le temps La belle nation d'hier elle ne réglait pas les comptes Aujourd'hui un gens qui vise des places Se proclame démocrate une fois en place Ils passent au reclément de comptes Ces ordures on les arrête dans mon bas Sans moutigaba Un peu tiki mouna wuchi t'es tchekumi Faut d'apprendre à me taire Tant que je vis sur terre Et voir les choses pas claires Non ma gueule ne pas se Est-ce que ah, ça Mon Je pensais qu'un homme aura au sang, c'est pour faire. Les sont là, les sont là. Ma Dingiza, dingi, dingiza. Give me fonda. Ma passe fa. Moi, je me gola gamba. Je pensais qu'un homme aura au sang, c'est pour Les sont là, les sont là. Ma Yes. Dingiza, dingi, dingiza. Give me fonda. Ma passe fa. Moi, je me gola gamba. Je pensais qu'un homme aura au sang, c'est pour Les sont là, les sont là. Ma C'était le titre Fonda du groupe Waswong. On passe au reportage région et pour cela, nous allons à Birninkoni, région d'Ottawa. Dans le département de Birninkoni existe une tradition pratiquée par les jeunes de la dite localité dénommée Dambé ou boxe traditionnelle. Cette tradition tend à disparaître d'où l'inquiétude de l'association des pratiquants qui s'active pour ressusciter cette culture. Que veut dire Dambé Dans la tradition, un membre de l'association des pratiquants de cette tradition El Haji d'Anjuma Arzika nous explique, euh, il est au micro de Asuman Arzika. a cikin gundumar birnin kwanni da ke cikin jihar tattawa ana gudanar da wata al'ada wadda ake ma dambe a gargajiyance ko menene ake nuhi da dambe a gargajiyance wadda ke neman bacewa a cikin gundumar birnin kwanni alhaji dan jimma zika ya muna karin bayani to shi dambe wasa ce ta gargajiya ta aka ce uwaye da kakanni tunda eh, shi na nasara ka ce ma babu amma mu da nan da ya kwanni abinda mun ka sani dambe mun ka sani ko su wane ne wannan wasan ta gargajiya ta dambe ta shafa alaja dan jimma azzika ya ƙara muna ƙarin bayani akan wannan zance. kuma dambe ya kumshi kamar matasa ya ƙarhi su ne ka dambe to muhimmanci dai abu na wanda aka ce na nisha'i ko na shawa eh abu na nisha'i na shawa kuma ga samari ya kari yaya ne ake gudanar da wannan wasa ta gargajiya ta dambe alaja dan jimma azzika ya yi muna karin bayani. dambe shi yadda aka yi ne kamar yadda ni ce matasa na gari gari haka sai a gamu gari kaza ko ku tai garin mu ko mu tai garin ku in mun ka zo sai a azamin lada ko ku kai azama lada sai in dauka ko ku ni azamin lada ka dauka ladan nan da an ka aza na dauka kenan ladan nan za ta samu kara karo na kulli da kulli shi dambe cin shi ka sa kulli ka buge mutum har sai ya kai kasa ko shi daha ko shi kwanta ko shi zamni ko shi haɗe da ciki nan na gane ka buge mutum kenan nan aka ce ka ci abokin gabanka. Ko yaya wannan wasan ta gargajiya ta dambe take a yanzu haka a cikin gundumar da birnin kwanni alhaji dan jimma ya yayi muna karin bayani dangance da wannan al'adar ta dambe kwanni dambe sai mu ce mun dan sake shi ya dan rage sosai dan in ban mance ba yau da shekara uku ko hudu da muka kira dambe nan kwanni aka yi shi to kuma ba a koma yi ne ba har sai yanzu to shi na muka so yanzu in Allah mai iko mai komi ya ba mu iko mu tadda wannan eh muna so insha Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Mira. Bonjour Myriam. Bonjour Gourouza. Bonjour. Poursuite de la 45e édition du Sabre national à Dosso. Hier, c'était la troisième journée et la liste des invaincus se réduit de jour en jour. Oui, Tawa a perdu trois invaincus hier, dont Zakirou Zakari, l'espoir de l'ADR, terrassé par euh, Aibo Hassan de Maradi. Tawa devrait euh, désormais compter sur Sahiru euh, Sahirou Melele hachumu Shebu et Bello Illa. Maradi aussi a perdu deux invaincus, mais a réussi quand même à conserver Aibou Hassan, Mati et Idi Yelo. Niami a perdu un invaincu et reste en course avec Abba Ibrahim et Sabo Abdoulaye. Ousmane Hassan et Salah Maman de Tilabiru ont validé leur ticket pour la suite de la compétition. Pour le programme de ce mardi 24 euh, décembre 2024, prévoit la matinée Zender Rosso puis Tawa Tilaberi. Dans l'après-midi, on aura Niamey Maradi et Agadez Difa. En marge de cette compétition, notre envoyé spécial Salamot Kadri s'est intéressé à la participation euh, des jeunes à ce rendez-vous du donner et de recevoir, suivant la réaction du directeur technique Adam Soumana. Ce que les jeunes doivent voir et comprendre cette année à Dosso, d'abord, nous sommes à 92% des jeunes qui sont venus. Et ceci, c'était une doléance de la direction technique nationale. On ne peut pas continuer à lutter avec des, anciens lutteurs qui sont fatigués et que les jeunes ne prennent pas leur courage à deux mains pour essayer de les remplacer, créer une relève qui puisse nous permettre d'ici un an, deux ans, trois ans que nous ayons une très bonne équipe nationale, une solide équipe nationale au niveau de la Fédération nigérienne de lutte. Dieu merci. Notre appel a été exercé parce que nous avons poussé, poussé cette année les entraîneurs et les ligues pour que cela soit. Merci. Et comparativement aux trois derniers championnats passés, vous avez vu cette euh, année à Dosso, seulement la troisième journée, nous sommes à peine 11 invaincus. Et cela, si vous revoyez les, statistiques, ça fait longtemps. Ça veut dire que le rendement des jeunes est très bon. Ça veut dire qu'au niveau des régions, il y a eu un très bon travail technique et tactique au niveau des entraîneurs de région. Et le résultat aussi est là aujourd'hui de l'ère de combat à Dosso. Voilà, c'était là le directeur technique Adam Soumana. la foot a procédé hier lundi 23 décembre 2024 le tirage au sort des poules de la Ligue nationale de football édition 2024-2025. Oui, dans la poule A, nous avons Akokana d'Arlit, Telwa, Tagour de Dosso, Ankasawa de Maradi, Entente de Dosso, Étoile Rouge, Kandaji, Zumunta et ASPK de Koni. Poule B est composée de l'AS Soudou, Lantarki, Arewa, National du Dandi, S. Bourja de Maradi, S. ZAM, RCL Sonyanka FC de Telaberi et Dangurumu de Tawa. Rendez-vous maintenant à Birninkoni pour parler du tournoi de foot qui s'est déroulé entre l'équipe de Ilela du Nigeria et celle de Birninkoni. Oui, le club de Koni FIFA a perdu devant Ziza d'Ilela sur le score d'un but à zéro. C'est dans le cadre de la cohésion sociale entre les deux peuples. Suivant les explications de l'entraîneur de Birnin Konni, Boli Lawali, au micro de Hasman Moussarzika. magana final kin da tsakanin fifa ta birnin kwani da club lila ziz na illela ta nigeria an yi wasu duka da balo abin da ta kare yan zuru yan zuru su suka ce mu premier mita aka kare minti goma sha biyar da zan mita an hako mu turwa minti da farawa sun ka samu na biyu muhimmancin ta abu ne ka san na solidarity na haɗa kai na yan kasa yan kasa da kasa ko wa gaskiya musa da zumunta na tsakanin mu da illela da kwani kamar mun zan uwa da kanina mun zan uwa guda uba guda ne tunda duk abin da ya tashi wallahi muna cuɗiya da Voilà, c'était la Boli, la Wali, euh, au micro de Asuman maintenant allons à pour le tournoi des pétanques. C'est un tournoi qui a regroupé 6 des 8 départements de Dosso. C'était le samedi dernier. L'équipe du département de Dosso qui a eu le dessus sur l'équipe de Tibiri en finale. Objectif de ce tournoi est de faire une sélection de la région de Dosso pour participer au championnat national de pétanque qui aura lieu à Zender à partir du 10 janvier 2025. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Gourouza, pour toutes ces informations. Passe une belle journée. Merci. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalongo. Il est 11h passé de 38 minutes et c'est l'heure du portrait du jour qui nous amène à Dogondouchi. Âgé de 47 ans, de teint clair et de taille moyenne, Yakuba Isakichi est l'un des rares griots des griots qu'on rencontre de nos jours de l'Arewa. À travers cette activité, Yakuba arrive à se bénir à ses besoins, même s'il rencontre des difficultés avec certains griots qui ne reconnaissent pas son rôle de griots des griots ou Karamakada, son portrait avec Abdelaziz Dayuma. Karamakada na to lokacin da duniya tana da kyau babu wanda muka zuwa ba mu roƙon wani mai eh abinda a gado mu roƙo shi roƙi roƙo roƙo gidan maruƙa in roƙo shi na daɗi sai ka ja in bai daɗi kuma sai ka ja amma yanzu da babu maruƙa yanzu zamani ne yanzu maruƙa sun zan ko da suka samu abin ya ƙare ko ka zo wurin maruƙi sai ka iske kuka ɗan shi sai ce babu kai gaba kaka na kuka roƙon maruƙa ko makaɗa eh to lokacin nan kawo da muka roƙon maruƙa in mun ka zo ga gari in mun ka to inda adda sarkin maruƙa sai mu sabka in mun ka sabka to shi sarkin maroƙin nan duk shi na ganin duk inda maroƙi shi sai ce akwai bakon karan maroƙa gare mu eh sha na ya sauka to sai lokacin nan kowane maroƙi sai shi kai gudun moshi wurin sarkin maroƙa kowane maroƙi sai shi kai gudun moshi eh haka na aka yinta haka ake yinta in ba ka roƙo ba a zuwa wurinka in kuma kana roƙo to sai mun gano ka in ka ce ba ka zuwa in ta kai mu ma mu yi hada sai mu yi hada kuma in mun kai hada da kai kai a ƙasa ni a ƙasa sai a ce in ba ka roƙo ba su zuwa gidanka ko in dai ka ci a baka kana roƙo to sai mun ta gidanka wai mu maroƙi duk wanda an maroƙi maroƙi shi muka aiki da shi wanga yanzu gado na kuma sana'a ta to kamar ana samu a dan hidda kai da haka nan a'a wallahi alhamdulillah a ce a sha ha'in yamma mutane alheri wallahi ina samu haɗin ba wasu su ci kuma dan ni shi in ce ma wani sa'i shi a ɗauke da ni gudan shekaru. To i eh, kamar yanzu cikin wanga aiki na zama karan makaɗa wani irin matsaloli kuka samu da mutane? To matsalolin da muka samu ga maruƙa na ɗaya muka samu matsaloli. Eh ga maruƙa don saboda in ce ma ba su darajanta sana'ar su ba balle su darajanta wani ba su iya bamu. Yanzu in ba don har ka ga da ƙasa ta rikice ba to yawo na muka karkare ne gari gari gari gari. kasan gari duk mun ka bi ba a rasa wanzami makaɗi kalangu mai goge dan ba mai algaita duk dai an kace ma mutum dai ko ƙwarya mutum ga bugu in sha ruku irin hakan ga to sai mun roƙa to yanzu da mun haga alamu ba su ba suwa ba su ba suwa da ka zo sai su ta tsuki wani ma in ka bi ma sai ku lalata maroƙi mai ci da maroƙa ɗan da ba shi kukan babu allah ya biya shi Ah, C'était là le portrait du jour à Bouclo, notre playlist avec les titres nationaux qui nous chantent à Katako. Katako de Tala National, place au loti du jour. Dans cette rubrique, Leila, Reina et Maimouna nous parlent d'une collègue qui a du mal à parler d'un harcèlement physique et psychologique dont elle est victime, car son collègue est plus âgé et elle ne veut pas lui créer des problèmes au travail. On écoute plutôt. Hey me nake ji ne wane ne laila me kike sai bakin ban daki shiga Allah ki zo ki bani wuri nima a matsayin ki tanti maimuna ni ma ban samu na shiga ba ku ga jin waɗannan kuka ina jin ana kuka kasa kasa akwai wani ciki da ke nan kuka cin ban dakin nan tsaya dakata maka kowa ne ne a'a rahina ke ce me yasa me ki wani ya gasu ne ba ki da lahiya ne iya hankali lallaba ta kadan lela iya hankali lela lallaba ta kaɗan rahina me a zo zo zo zo mu je kina son mu tattauna akai mm ba komi kuna yi wuce ku shiga a a a ba kalo ba dai di ba huska kiwa to duk kin canza lokaci guda ya ne yi wai zo zo ku zo mu je sashe na ku zo mu gani can kin mun samun sirri mu tattauna rahina kin ga dai mu abokan aiki ne kuma ko ba komi ne na aike sannan kuma lela duka shekarun kuɗi warin kice kina iya ki bayyana mana abin da ke damun ki ki yarda da mu in kuma kin ga yanzu ki shirya ba za mu jira ki lokacin da ya dace duba da Allah wadda duk huska ki ta canza kamar wata da bata da lahiya hawayen ki sun kitsa tsaya suna ta zuba na san da akwai wata matsala tun kwanaki ina ta kallon ki nayi nazarin nan in kuma abu ne da ya shahi gidan ki baki son ki magana ni ina shawarta ki da ki ki nemi masana waɗanda sun ka kware dan hira da mutane bisa kan abin da ke damun su tun da tana yiwa mu ba ke da mu ba a'a ba haka nan bane ku hakuri da Allah matsaloli na dai ne ban san ba ina zan sa su na gaji kuma tsoro nake nan gaji ban san ya zani ba habba ki hakuri ki dan kwatanta haka nan dai tunda kin gani matsala in ka faɗa ma wani ka iya samun mahita in ma ta gidanki ne ko nan ne wurin aiki tare za mu nemo mahita ko ba haka ba kenan in magana wallahi duk na da nake haɗuwa da su wajen aiki dai ne kuma na zo ban jin daɗi ina Allah Allah ma koma gida ikon Allah to me kawo haka saboda wani abokin aiki na ne ko da yaushe na takura mu rayuwata kullun idan shi na kaina ko kaya na sa kullun sai ce mun ga sun kyau sun yi do jikinki yau ma sai dai kama hannuna ni abin ya ishe ni wallahi tura ta kai bango abin ya ishe ni shesa nake ta wannan kuka da kuke gani kai kai kai wanga zake shi ta yi wani irin namiji ne ya kamata in mishi magana a a a abun ma ni, ni ya ban takaici wallahi wai wane ne kai laila ya haƙuri ki hona sanki da zahi rahina ci gaba muna sauraron ki abin ya hora ne da har ce min kayana sun yau na yi kyau da harin ban jin daɗin abubuwan nan da yake ban da aure sai na kyale shi amma yanzu na shekara biyu da arme duk da hakan dai na ci gaba da takura ma rayuwata kwanakin bayan can ya taro na dinga cin abinci har ma ya ce ina ma a ce koma gidana da zama da ya rinka cin abinci masu daɗi da nake yi amma wallahi mutumin nan babu kumya ga idanun shi kuma mutum ne da muke aiki tare da shi a wurin nan ai bai kamata kina yarda da irin wannan abubuwan ba ke ko da ke budurwa ce ko mata aure wannan bai dace ba nan wurin aiki ne muke kenan ya kamata ya girmama ki bai kamata kina yarda da wannan abun ba wanga musgunawa ne yana ga cin zarafi ne ai kuma bai kamata ki shiru a kai ba ha wannan magana ce yake faɗa miki ta ƙasa-ƙasa kenan ya kamata mu gaya ma manyanmu don su ɗauki mafita ya kamata ma ke ki gaya mini sunan shi in ke baki son ki mishi magana ni kan kai na zan mai magana saboda ma mu samu mu ceto rayuwar wasu abokan aikin mu mata yalla in ma ba su cikin halin da kike ciki su ma sun yi shiru a'a bai nan ga mu zuguna min tunda kullun dariya ke min magana amma da abubuwan da ne ba su nan ga birge ni rahina sauraron nake shi wannan nacin da yake nuna miki shine ake ce ma cin zarafi babban laifi ma ya zo ya taba ki har da wani kame kamen hannunki yana neman ya yi miki magana shin sai ka kama hannun mutum ba da baki ne ake magana ba kuma yana miki shi a cikin aiki wannan abin da yake yi wallahi babban laifi ne wanda kuma idan har ya ci gaba da yin shi irin wannan yakan sa ma mutum ya samu matsala har ma ya kai abin baya ga wurin aiki har ya taɓa ma rayuwar shi gaba ɗaya wannan shi ne ake ce ma musguna ma mutum ta fannin kiwon lahiya ta fannin tunani ma ta fannin ma rayuwar shi gaba ki ɗaya ai tanti mai muna ka koyi nisa ba gashi ba yanzu mun iske ta da sahin tana kuka cikin banɗaki kuma wannan bai dace ba abu ne kuma da baya da kyau kenan abun ya haka taba kwakwalwar ta ma an ba mu yi aniya ba ha kuma ki san da cewa ana iya tugumar shi saboda ya taba ki saboda ki san da cewa saboda ki san da cewa dokar aiki cikin ayarta ta arba'in da biyar, ta hana ka nemi wani abubuwa na ga jikin mutum ko ko kai neman wani lalata da shi saboda kana gaba da shi ko ko ka hi ƙarhin shi wannan na sa a kai mutum kurkuku kuma da tarar kuɗi shi in gaya miki kuma abin da yake yi ne shi a'a ba ni so mu kai can kun san ne kuka abu yana wucewa kuma ban son ja mishi matsaloli na je sama na yi son rike abu gare ni ni ban son ja mishi matsala da Allah ku bar hirar kaina barci haka nan haka zaki ta dawo ma sai ƙarshen rayuwarki ko ko sai wani abu ya same ki bai kamata ki ji wai laihinki ne ba ke baki da laihin komi cikin wannan shi ne bai kamata ba yayi abun da yake yi baki ce a dube ki ba baki tambayi komi ba kuma kowa bai kamata yi rayuwa ba a haka wadda kike nan gayi kar ki damu komai zai wakana yadda ake so mu dai yi magana wa shugabanninmu laila wai ni a tunani na ba shi kina cikin wannan kwamitin da aka kawa ba wanda zai karɓa irin wannan ƙorafe-ƙorafen haka ne tanti amma har yanzu kwamitin bai zamnu ba saboda shi ne na ga ya dace mu gaya ma shugabanninmu na wurin aiki su za su samu hanyar da ya kamata a bi don a shawo kan wannan matsalar saboda tana yiwa shi wannan abokin aikin namu yana ga wannan abubuwan ne ba cikin ya san da cewa ba abun da yake yi ba su dace ba kenan ya kamata a ji hankalin shi na gode sosai da shawarar da kuka bayan da har nake laifin daga ni ce har nake zan sake kayan da nake sawa kuma nake cewa ma zan aje ma aikin dan huta da wannan jarabar diba duk wani cin zarafi da ake ma mutum ra'ina ya kamata a ce an bayyana shi ko ta hanyar ka zo ka tattauna ne da baki da baki ko kuma kan a rubuta ne kan shafin yanar gizo ka aika ma mutum ko kuma a rubuta ne ta na'ura mai kwakwalwa ka tura ma mutum ko kuma dai wata hanya ta daban wannan shi ne zai sa a rinka sanin takamaimai wani irin yanayi ne ake ciki musamman ma a wurin aiki tunda idan ba a bayyanawa duk a za a sani har ma a ciwo kan matsalar yanzu ai na gane na gode sosai ku rike wannan sirri da Allah ku taimake ni ku ɗauki wannan magana sirri na muku kamar na bayyana abun ne da Allah ku taimaka mini babu komi rahina yanzu abin da nake so da ke ki aje hankalinki ko ma ki je cikin banɗaki ki wanke huskar ki tas ki koma ki aikin ki tamkar wani abu bai faru ba insha Allah tanti na gode Laila kula da ita insha Allahu za mu kula da wannan abun ai wannan mata suna cikin haɗari kowa da kowa mu. Chers vous venez de suivre le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes en compagnie de Maman Ada pour la culture linguistique. Avec lui, nous allons découvrir ce que signifie le mot Noël en langue Hausa. na kwana mama da eh lafiya da hajiya samira barka da haka eh banga kun shirya ba <laughs> mun shirya shirya muke ai kun san gobe sallah kirista matice kenan wato kenan magana ta mutu ta shafi wato noel noel kuma ah, da harshen hausa za a ci aka sallar eh, kiristoci ko kuma sallar haihuwar yesu almasihu ko kuma jose kirista haka ne kuma wannan sallah ana ta a kowace ranar 25 ga watan disamba kowace shekara wato inda take da muhimmanci wannan sallah a wannan kasa ta ta Nijar ba musulmi kaɗai ba ke da kwai akwai kuma kirsoci da suke ban addinin su kuma wannan cikin zaman jituwa tsakanin waɗannan wato al'ummomi da suke mabambantan addinai wannan yana da muhimmanci sannan kuma eh, sallar eh, kirsoci ana amfani da ita domin yin kyaututtuka eh, wato sannan kuma da yin addu'o'i domin zaman lafiya da dai sauransu musamman ma yara sun sun hijin daɗin ta saboda su ne ake ba kyaututtuka masu ban sha'awa amma kuma wanga lokaci da yake lokaci ne wanda dai za a yi sallah da yadda take amma dai na yi imani da cewa mutane za su yi sallah yadda ya kamata kuma musamman kiristoci don haka eh, wannan dama ce mai amfani da ita ma'aika gaisuwa zuwa ga dukkan kiristocin wannan ƙasa tamu kuma na fatan su yi sallah lami lafiya. Madala, mun gode ma'ada da fassara da Merci beaucoup, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit ou un vocal au numéro 82 89 89 64. À présent, écoutons les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu aram mataga ai si kal ne ballai yara da bagin da gana gai haru nera ay naran cem naran se kan mu fondo goydo ko karo karan go sai labarai no do hara irga hanganaran labarai se zari kulu wicir kan irga ga hanganaran labarai se wani wani wai borai bato sigiro furta jai labarai da labarai kan haran girno niger fi hazul matara labarai menda menda nirga ma istijo gudin damu irga haran fondo goy asalan na nake siman raisha ta ta madalin tawa isuusima qaawan file niger kalongu takkaitno antagrazi willen taanin merte ya, assalamu alaikum studio ya, kolongu groupe ora kangna bogdu labare gangan aw ya, mai matkano bogte studio kolongu groupe ora kan bogdu labare gangan aw irbore kango tare labare azame osi kala mali assalamu alaikum fosino studio kalangu nugo bani matka mat murade mati anore arame mati ko pay bad adara gondi istigo kala gongo e whatsapp grupu mai limora o kam bonga tense vokana mai limora daka aran group por ham jogudo istigo kala gon labar mataran goma ta gama alhamdulillah ta lasiga samaniga aran su yi rolin e hangan e ba a se e mon lamba sambo de lambo da isalan abun mo kadaran paman dese o oh, imade sijirago kana senigo hangan emon lamba samu eh, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jangon ɗon janguro woni yi wallahi yewtere no weli sanne iri nde waɗay hano o oh, miɗen jetta golloɓe ɓen dow sanne sanne sanne sanne e eh. eh, cuɓaki nde yewtere nde ɓe goni ɓe gaɗa allah yaaro golle ɗen yeso o oh, yewtere moɗon de wala hano miɗen jetta sanne sanne e golle mon ɗe o woɗi sanne ɓeydon jungo ɓeydon jungo Vous écoutez le Niger sur Kalangu Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. She tell them this is the Lord of mercy. Yes, man, sir. Bacha, she jump, Oliver. Chop, chop, hop, hop, se se kar alo alo jaha wasi wasi mati ne kane da kana bana se fese bedela hay mada tunda be se mela makanda la madala ngwe mm, ya warto wala wara mana to zamba gadi do yansi calcula matematica ma pasa moto mode pas la porto un pas sur pas sale raga pe gumbe hon na kane ka kana kana dun kora bumbu ka be zamani ya ka kani tani nyoko nyoko la be sabaza zam yo amanda da al corona now al ne ka to madu guzoro tulo matuno dugo matunu bus bus hon kuna bato kuna ne wono baro kula ka zegera moto down the flow ati so ma sabone kamba bene on y va shop shop Job. Le sur de ce 24 décembre 2024 est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour un autre numéro de la semaine avec un autre Dieu. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et de moi-même Samira Rafi. À la technique, c'était Amina Hassan et à l'édition Moussa Hassan. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme à partir des 17h. Excellente journée à tous. Et joyeux Noël à toutes la communauté chrétienne.